rafi da furu truve cikin shirin ku na matasa da studio kalangu take sarrafa muku a kowane karshen mako depuis son apparition dans les années 90 le téléphone portable continue de faciliter les échanges cikin panoni da dama ga mu da kafofin sada zumunta kala kala wanda suke baka dama kai magana da yan uwa da amanan arziki mais visiblement certains aspects de cet outil semblent moins reluisants Selon les propos du SG de l'association islamique recueillie par la télévision nationale, Fitina kan Saloula n'a cikin dalilan ke watsar da armamaki yawa. Et pour les chiffres, l'association islamique du Niger parle de 3088 cas de divorce enregistrés sur le plan national. Et ça, c'est juste pour ceux qui sont euh, signalés à l'association islamique, sans compter ceux qui sont pas signalés, qui partent à la justice directement. Chiesa, yo a fadar so wai mu san wani matsayi ne ke ga salula cikin samartaka da armima quelle place occupe le smartphone au sein des couples Comment s'est-il retrouvé au cœur des problèmes des couples et comme invité, nous avons euh, des jeunes influenceurs, nous sommes avec des gens de culture, un sociologue également. Il va nous éclairer sur euh, cette question. Nous avons avec nous euh, une étudiante en psychologie également. Ramatoulaye Alassane, elle est étudiante en psychologie. Ça va, Alamoutou Ça va. Tu vas bien Alhamdulillah, Rabi. Comment vous allez Merci. Avec nous, nous avons Babs Magaji de Coco Story. Eh, Allah Babs, ça va Ça va bien, et toi, hein? Ça va bien, Alhamdulillah. Ben, bienvenue sur la Fada. Nous avons Hamed Ousmane. Il est entrepreneur culturel. Ça, va, Hamed Ça va, Rabia. Tu vas bien Ça va, ça va. on l'idée, euh, Attends, tu vas <laughs> partager ça avec nous. Inch'Allah. Nous avons avec nous Monsieur Moussa Mohamed. Il est sociologue. Monsieur Moussa. Bonjour. Soyez le bienvenu sur les Merci, bonjour. À cette fois-là, vous le savez, il n'y a pas de fada sans musique. Nous aurons notre musique. Nous aurons la rubrique, l'affaire de Miss et la chronique de notre chroniqueur chouchou Olivier. Le téléphone portable, ami ou ennemi du couple. Ami Farida maman. Mouchra Rahotanta et on se reprend juste après. La femme mariée, tu as prévu d'aller en ville, mais malheureusement, monsieur n'est pas à côté pour lui demander la permission. Tu peux juste prendre ton téléphone et l'appeler pour lui demander la permission. Un autre avantage, quand vous êtes enceinte, et que le jour de l'accouchement, Dieu faisant les choses, monsieur n'est pas là, il n'est pas à côté. Surtout pour les femmes qui ont, pour les hommes qui ont deux femmes. Donc tu peux juste prendre ton téléphone et appeler ton mari pour lui dire que le travail a commencé pour qu'il puisse t'aider, quoi. Donc c'est vraiment avantageux. ça varie, puisque l'évolution des de la nouvelle technologie d'information et de la communication, a deux traits essentiels ça a toujours son côté positif et un côté négatif. De nos jours, l'utilisation du téléphone portable devient de plus en plus intime. Donc qui dit intimité dit protection. Du simple avis que par exemple si aujourd'hui ma femme désire prendre mon téléphone, ça je ne dirais pas non, tout comme je ne dirais pas oui. Mais tout ce qu'elle aurait à découvrir dans le téléphone n'engage que sa personne. Pourquoi Parce que elle, étant même ta femme, il y a une intimité qui doit être dans le foyer. On a écouté euh, quelques avis là sur euh, des téléphones portables, les avantages et tout. Ahmed, on va euh, Oui, bonjour. Euh, <clears throat> merci en tout cas pour l'opportunité que vous nous offrez de parler d'un thème aussi sensible qui est le, téléphone au sein du foyer. Si cette confiance-là n'existe pas dès le départ, c'est pas que le téléphone. Hein. So, confiance. Eh, mata eh, matada da miji ko masoya ko ma'aurata mm. eh, yardan nan shine ya kamata tun ya ya kiswala vraiment parce que si in même pas le téléphone. Moindre chose peut, peut enclencher quelque chose dans, le, dans, le couple. Effectivement, c'est ça parce que, dans un premier temps, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui pousse l'un des partenaires à aller vers le téléphone de l'autre, surtout si c'est pour chercher quelque chose, c'est le manque de, confiance. C'est ça. Ah, Ahmed, <laughs> ok, on va revenir sur les avantages du téléphone avec euh, notre sociologue, Monsieur Moussa je pense que euh, avant de parler de l'influence du téléphone euh, au sein euh, des ménages, des couples, il faut d'abord situer le téléphone dans le quotidien des populations. Aujourd'hui, on sait tous que quand vous oubliez votre téléphone à la maison et que vous ne parvenez pas à retourner le récupérer, vous passerez une journée, euh, et, je dirais, difficile, terrible. C'est comme si c'est une partie de vous-même qui vous manque. Donc, il faut d'abord dire que le téléphone fait partie de notre quotidien. Nous vivons avec le téléphone et le téléphone aujourd'hui influence, qu'on le veuille ou pas, euh, tout ce que nous faisons. Le téléphone est devenu un instrument, un outil qui influence notre façon de faire, notre façon d'être qui influence nos relations entre, euh, au sein de la famille, avec les amis, avec la société de façon générale. Donc le téléphone étant euh, <coughs> faisant partie de notre quotidien, évidemment que ça aura euh, euh, une place, un impact certain dans la vie des couples. Et surtout que ne il faut pas oublier que entre jeunes filles, jeunes garçons, avant même qu'on arrive au mariage, tout le tout, le pour l'essentiel, tout fait au téléphone. Donc entre nous, nous connaissons nos habitudes. on se communique au téléphone, on s'envoie des messages, on s'envoie des vidéos souvent peu orthodoxe donc ces habitudes abin da ake cikin samartaka par eh. exemple. kana da sarmayi duk abin da kuke yi hiran da kuke yi duk abin da kuke yi eh, sai à travers le téléphone. Mhm. donc pour quand on parle de couple il y a vraiment je ne dirais pas qu'il y a pas d'intimité mais il y a peu d'intimité parce que religieusement et même socialement qu'est-ce qui pourrait engager euh, euh, l'un des partenaires qui n'engagerait pas l'autre affecter l'autre euh, nous sommes tous ça, il ne faut pas que nous écartions nos comportements de notre pratique religieuse si un mari décide d'avoir des relations sans en parler à sa femme, il sait pourquoi. Non, il y a un souci. je peux intervenir. Alors, je, moi, moi je, je trouve que c'est tout à fait normal ce que dit. Mhm. Mais il ne faut pas aussi oublier que il y a la pratique, il y a la théorie. Aujourd'hui, les gens confondent avoir quatre femmes, avoir droit à quatre femmes avoir droit à une femme et plusieurs maîtresses. Aujourd'hui, tellement de personnes se disent qu'à travers le téléphone, je peux envoyer des trucs, des nudités, ça va rester intime, patiti patata. Mais non, ça reste pas intime, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est quoi le souci avec fouiller le téléphone Quand on sort les téléphones, on dit ok, on a sifflé, tout le monde dépose son téléphone, quelqu'un va fouiller. Il y aura bien des choses qu'on veut cacher pour que les autres ne voient pas. En fait, le couple, quand on dit un couple, c'est vrai. C'est deux personnes qui ont décidé de faire leur vie ensemble, de, partager des secrets, mais pas tous les secrets. Honnêtement, pour éviter les problèmes dans un couple, il y a des choses qu'on ne ramène pas dans le foyer. Je suis désolé, c'est une façon archaïque de voir les choses. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il faut savoir faire la part des choses en fait. Ah, beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup d'hommes, autant pour moi, se disent que oui, pas, sous prétexte, enfin pas sous prétexte, mais parce que la religion eh, m'autorise à avoir quatre ans. Oh. Ok, alors qu'il faut savoir se respecter déjà en tant qu'homme et respecter son couple. Attends, quand respecter le couple, Mais on va pas euh, aller avec la rubrique de Dondi quand même sans revenir sur euh, les avantages. Là, là, on a déjà commencé, on est rentré déjà dans les soucis. Les avantages, Hamed, je vous, je, je vous reviens, je vous reviens parce qu'on n'a que 35 minutes pour ça. Hamed, quand même, dans tout le processus de la fabrication du couple, le téléphone, il y a ses avantages quand même. Il n'y a pas que tes. Euh, oui, effectivement. Bon, avant, avant, en, off, avant qu'on ne commence l'émission, on, essayait de citer quelques, quelques avantages. Et il y en a beaucoup. Parce qu'on dit que. <laughs> Euh, il peut arriver, Watarana. Euh, euh, le couple ne soit pas côte à côte. C'est-à-dire les deux sont, peut-être voyage ou mission ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, grâce au téléphone, on peut se faire des appels vidéo. C'est-à-dire c'est des trucs imaginables il y a encore 10, 15, 20 ans de cela. C'est pas du tout possible. Donc euh, on peut se faire des appels vidéo, on peut s'envoyer des, photos, des, des vidéos euh, pour toutes ces choses-là on va aller avec la revue de Nandi et on se reprend juste après Vieux tu t'es sûr, l'artiste s'exprime. Alors parlons de Vieux Farkatouri. Euh, je vous dis merci encore de plus parce que en réalité, le Niger me tient à cœur. Bien sûr. Je suis euh, un enfant du Niger et du Sahel. Tout à fait. C'est comme ça. Ouais. Super. Alors parlons du vieux Touré On a connu le père, le père nous a marqué. Alors parlons du fils. Qui est vieux Farkatouré Vieux Touré est juste simplement un enfant du Sahel. Un enfant du Sahel Juste le fils de Ali Farka. Donc je suis vraiment fier parce que tu sais chez nous on dit quand ton père est voleur là tu n'es pas fier de ça quand on te dit que tu es le fils mais quand ton père a trop travaillé là là on t'est fier Je tu tapes le poitrine on se dit que je suis le fils d'un tel le fils de tel et ça c'est très important pour moi je suis très très content très fier de ça et je sais que Niger c'était sa ville c'était un endroit où il aimait beaucoup et il a séjourné beaucoup d'ailleurs donc pour moi, j'étais une écoute écoute de venir ici. Tout simplement. Alors il est votre artiste, les 10 ans de Mais justement, c'est de votre artiste que nous allons parler, euh, parce qu'il faut le dire, votre artiste quand même euh, est un grand artiste, hein, un artiste qui quand même euh, a sillonné le monde entier. Musicalement, il est posé. Farkatouré. Tu fais quel genre de musique déjà Je fais de la musique. La musique De la musique. Tout simplement. Tout simplement. Tout a commencé quand En 2000. Tu sais, en réalité, j'étais batteur. Congas, Calebas. Ça, c'est depuis. Musicien. Un musicien de, Bon, je suis né musicien. Le sang, franchement. Donc, du coup, eh, mais c'est en 2006 que j'ai commencé la scène. Voilà. Et vraiment, il y a des musiciens ici qui m'ont marqué, qui m'ont poussé à aller sur la scène, qui est comme Marcassé. Qu'est-ce que tu entends par euh, la scène La scène, c'était la première fois que je suis monté avec mon groupe sur la scène, ça a été à New York. C'est où Ça, c'est en 2006. Donc, c'est là où je me suis dit, aujourd'hui, je suis musicien. Mais tu, m'as parlé d'une icône, d'une légende vivante, Mamar Kassai. Il fait partie des personnes qui... Euh, qui m'ont poussé à aller dans la musique. Et j'écoutais beaucoup, beaucoup Maliaro que j'aimais beaucoup, j'ai même repris euh, certaines chansons. Niger voilà. Kabaranda, Torenya quand ah, Son, son, son reggae surtout, que j'ai traduit à ma manière, que j'ai fait, parce que je suis vraiment fan, fan très très fan de lui. Super. Alors, vieux Fakatouré, on sait aujourd'hui que tu es un artiste du monde on sait que tu fais tout simplement de la musique. On voudrait avoir la vision de l'artiste. Comment est-ce que la musique évolue au Mali non, au Mali, la musique va très très bien. On a de plus en plus de musiciens, de, talents qui sortent, je ne sais pas, de n'importe où. Mais franchement, euh, la musique, ça va bien. Mais la seule chose que j'ai dit et que j'ai redit et que j'ai toujours dit, c'est quoi C'est qu'il ne faut pas qu'on oublie la musique traditionnelle. Il ne faut pas qu'on oublie nos instruments traditionnels. Ça, je l'ai toujours dit en toute sincérité. Voilà. Est-ce que Ali Farka Touré, le papa, le père, est-ce qu'il t'a influencé Est-ce qu'il t'a appris à jouer à l'orchestre au djembé, à, chanter Beaucoup même. C'est vrai qu'au début, il me disait non, de ne pas être musicien parce que c'était très compliqué. Et ça, vraiment, j'en ai vu. J'en ai vu beaucoup. Et aujourd'hui, avant de mourir, de partir, il m'a dit vraiment, comme tu veux faire de la musique, je vais t'apprendre quelques notes. Et il m'a appris quelques notes. Mais c'est quelques notes de quelques jours qu'il m'a donné. Ça fait presque 10 ans ou 20 ans de connaissances. tu m'as donné la charte de peau. Nous sommes donc pratiquement à la fin de cette première partie. L'instant maintenant est solennel. Un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne, un message à l'endroit de la jeunesse africaine, un message de l'artiste, tout ce qu'il a au fond de lui. Bon, aujourd'hui, je vais m'adresser quand même à la jeunesse nigérienne, qui est une jeunesse très forte, qui est une jeunesse qui évolue. Moi, je suis vraiment appâté de voir tout ce qui se passe aujourd'hui au Niger et je leur dis du courage, de continuer, surtout ceux qui font de la musique. Allez-y, ceux qui font de l'art, en un mot, de continuer parce que c'est nous, les jeunes de demain. Donc c'est nous qui devraient porter les flambeaux de ces pays-là. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Ainsi parle l'artiste vieux Farkatouré. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour parler de ses œuvres artistiques, de ses tournées, parce que c'est un grand artiste, comme on l'a dit. Ami la fara salula wai salula wani irin matsaloli ne take kumshe da su da take haddasa a ce ma tana kawo watsewar arme watsewar arme kutun shi yasa yau muka gayyato wannan amunan namu su zo a nan guntiye na a nan tsohar kasuwar yamage muka zo muka zamana mi hira da su bisa kowanne ya gaya muna ra'ayin shi bisa kan wannan matsala tun da yanzu abin ya zamanto matsala ko ina zancen ake muna tare da Babs Magazine na Coco Story muna tare da Ramatullahi Alassane elle est étudiante en psychologie euh, monsieur Moussa Mohamed lui il est sociologue Ahmed Ousmane de Harka Comedy Club voilà akwai wani Monsieur da on l'écoute et on se reprend moi c'est Mohamed laram et mes questions seront axées sur deux points D'abord à l'endroit euh, des hommes. Quel est le profil qu'ils tirent en fuyant le téléphone de leur femme ou de leur copain Et à l'endroit de la femme, euh, je me demanderai quel est le miracle qui peut conduire une femme à ne même pas faire confiance à son homme jusqu'à vouloir prétendre euh, fouiller dans son téléphone. Monsieur Moussa, que Donc, euh, je pense que d'abord, je pense que d'abord dans le couple, il doit y avoir une confiance mutuelle. Quand on se marie, on doit avoir confiance en sa femme réciproquement. Maintenant, par rapport au contrôle, fouiller le téléphone, je pense que euh, ni l'homme ni la femme, en principe, ne doivent fouiller le téléphone d'un de leurs partenaires. Parce que quand vous fouillez le téléphone de votre femme, c'est comme si euh, euh, vous n'êtes pas, pas convaincu de sa fidélité. Et là, même religieusement, c'est dangereux parce que eh, quand vous vivez ensemble, il faut avoir confiance à la personne. De toutes les façons, un être humain, vous ne pouvez pas le surveiller. Qu'il y ait le téléphone ou pas, si la personne le décide vraiment, elle, peut bel et bien vous tromper. Et il y a certains cas aussi où, même si la femme ne vous trompe pas, si elle remarque que vous la suivez, vous la soupçonnez, elle peut changer. Elle peut faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Donc, je pense que d'abord, c'est la confiance. Ah, c'est la confiance. Il faut avoir confiance. Et, surtout pour la femme, parce que la femme ne doit pas avoir un contrôle sur son mari. Ah bon ah, Non. Non. entre l'homme et la femme, je ne, suis pas, je ne suis pas contre les femmes, mais dans nos réalités, quand même, c'est l'homme le chef de foyer. Et s'il y a un contrôle qui doit s'exercer d'une manière ou d'une autre, c'est à l'homme d'exercer un contrôle sur sa famille, sa femme et ses enfants. Mais quand la femme se met à contrôler son mari au point de, fouiller dans son téléphone, alors quand il le saura, évidemment c'est un problème parce que ça sort de l'ordinaire. L'homme n'a pas vocation à contrôler son mari au point de... Euh, voilà. D'accord. Tout le monde a un Hyper important. a ganin ku mace musa mace bai ma kamata ba a ce tana bincike ta gani wai mijinta me yake wani bincike da wani eh, leke-leke duka ba nata ne. shi ne kamata a ce yana da ido bisa kan rayuwar iyalin shi matar shi amma ita bai kamata a ce tana bibiyar shi hata san wai cikin me yake miye yake yi da waye ba shi ne ke rike da gidan ba ita ke rike da gidan ba to da kun mun gane zan can naku su magashi zan dawo wajenka eh a su magashi ah oui Ouais, parce qu'en fait, juste que. Uh-huh. Babs, tu peux répondre aussi à cet auditeur avant que moi-même je te pose ma propre question Parce que j'ai une question pour toi aussi. Euh, pour l'homme déjà, quand il dit que qu'est-ce qui peut pousser un homme à fouiller le téléphone de sa femme, c'est en fait toujours on revient sur l'indiscrétion. L'indiscrétion, c'est ça qui pousse tellement de personnes. C'est même pas un manque de confiance. Parfois, ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en toi que je vais voir. C'est juste parce que je veux savoir ce qu'il y a, ce qui se passe dans ta vie. Alors que honnêtement, parfois, on n'a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin forcément de savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre, même si c'est votre femme. Quand quelqu'un décide de ne pas vous parler de ses propres problèmes, patientez le temps qu'il prenne l'initiative de parler de ce problème avec vous-même. Et pour la femme, c'est surtout la curiosité, franchement. La curiosité. <laughs> Et parfois, tu vois quelque chose qui est plus grand que toi. Honnêtement, fouiller téléphone. dans un couple, il ne devrait pas exister un semblant de soupçon. Il ne devrait pas exister un manque de confiance. C'est la communication. Si tu sens que quelque chose ne va pas, au lieu d'aller chercher viens parle avec la personne si elle décide in kin ga abun da bai yi miki ba in <laughs> eh, kin ga abun da bai miki ke damun ki ke magana da shi haki ke ta nema kai ma an kaga abun da bai yi ba haka ke ta ka ta da duniya an yi kaza an yi kaza zo ka faɗa mata da to za elle ta fam en fait personne ne vous a forcé quoi bai ce muku tilas ba ku zo ku zamna bisa kan juna ku kun ka gani yana muku kun zo kun za in bai yi muku ça Je vais juste euh, placer un truc ici. Vous connaissez euh, la femme, en tout cas pour la plupart que moi j'ai connu, mhm. quand le couple est trop stable, bien, elle n'aime pas. C'est-à-dire il faut toujours mettre de l'action, il faut Oui oui oui, il faut toujours il faut toujours arriver à placer quelque chose pour mettre de l'action dans le foyer. en fait, les gens, ça, ça je trouve que c'est normal quand c'est pas exagéré, au fait. Ah, ok. <laughs> tu vois un peu. Quand euh, j'ai perdu le fil. En fait, c'est qu'est-ce qu'il a elles aiment, elles aiment de l'action. Oui, elles, aiment, de l'action. En fait, ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Une vie qui est là qui n'est pas rocambolesque, elle va tout le temps être là. Ah voilà. Honnêtement, vous êtes tous mariés, je pense, pour la plupart ici. Il faut se dire la vérité. Les petits Congos, ça tard la nuit, tel a fait ci, tel a fait ça. Ça met du peps dans les relations. Il faut oublier. En fait, il faut, oublier le truc. Oublier le truc là archaïque, tout le temps être là, regarder télé, regarder On Ce C'est pas la paix. C'est pas. Il faut pas aller jusqu'à la guerre. En fait, il faut juste chercher des petits trucs je dis pas d'aller exagérer. Il faut s'accumuler. C'est ça. Non, ça. non. Truc, ne tant jamais, que, ça non, non, tant que vous savez communiquer. tant que vous savez communiquer, c'est que vous cherchez les hommes là, les deux hommes là qui sont ici, mes tontons là, c'est que vous cherchez dehors là. Exigez ça avec nos qui sont à la maison. Castori a parlé. Eh, on exige rien euh, dehors. Hein, <laughs> Mais Babs, justement j'en venais. Mhm. Zakaga, sar mai da budurwa ko mata cikin restaurant hakan ga sun ta cin abinci mhm. amma kowanne ba su kan salular shi franchement chacun est sur son téléphone mais genre, mhm. chacun est dans sa bulle en fait mhm. je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a d'aussi attrayant dans un téléphone qui a pas de la réalité qui fait que salula ta ɗaukan ma mutane hankali kana cikin iyalinka zamane hankalinka na cikin salula mace tana tukunyata tana bisa kan wuta tana bisa kan whatsapp ramatu zan zo wajenki mi ke da koyi mai daɗi cikin sabla da zai sa wai har ya ɗauka maka hankali har ka mance da reality kinka inda kake on sait sincèrement moi je je sais pas je sais pas ce qui peut pousser les les hommes surtout dans les restaurants vous êtes avec votre femme mais vous êtes tout le temps avec votre téléphone même les filles hein elles sont sur bon, le téléphone ok même les, les femmes donc voilà moi je me disais que c'est parce que les filles, surtout quand elles font ça, c'est parce qu'elles regardent trop les novellas, les, images. Ah, bah ça, ça là, restaurant Oui, quand, quand vous, êtes, vous regardez trop les, séries des images, des, des novelas, donc vous voulez l'appliquer de la réalité. Or que ça détruit en réalité le couple. Il ne faut pas essayer d'imiter les autres en essayant de l'appliquer dans, dans votre vie. C'est ça, vraiment. C'est ça qui les pousse, oui. Ah, ok. Ahmed Kaïdabo, explique-moi cette situation. Tu vois, tu arrives à comprendre, Ahmed. Euh, j'ai l'impression que, quand même, hein, <laughs> on dirait que ça va. Euh, Chez Ahmed. Chez <laughs> Ahmed <laughs> Il faut savoir que certains comportements, certains gestes, c'est pas, c'est par mégarde. C'est-à-dire, c'est, des réflexes. Tu peux prendre le téléphone à un moment donné, comme ça, par réflexe, et regarder le téléphone. Et peut-être à ce moment-là, ça n'a pas plu à l'autre. Et toujours est-il que dans la confiance mutuelle qui existe déjà entre vous, tu peux recadrer cette personne-là. Bon, écoute, euh, on est, euh, on est entre nous. Oui, tu peux déposer le téléphone. C'est-à-dire, sans qu'il y ait de. Il n'y a pas de. On ne s'énerve pas, on se. Non! Comme ça, tu le dis, on dépose et on continue. Parce que souvent, ça arrive aussi. Quand tu es amoureux, quand tu es vraiment amoureux, il faut qu'on soit honnête ici. Quand tu es amoureux, histoire de téléphone, tu oublies même le monde qu'il y a autour de toi. C'est pas une question, de, question de fiction ou bien la télé. Non, je suis désolé. Créer des jeux. Moi, j'aimerais bien réagir par rapport à ça. Oui. Parce que, d'abord, mm. euh, quelqu'un qui invite sa femme à sortir pour aller dans un restaurant, on peut déjà dire que ça va parce que ça sort de l'ordinaire. <laughs> Ah, oh non, non, non, ah, sérieusement. Oh, oh, voilà, on sort de la monotonie et, ça va. Maintenant, euh, le fait d'utiliser son téléphone quand vous êtes avec votre femme dans un restaurant ou votre copine, je pense que ce n'est pas un manque d'intérêt et ce n'est pas parce qu'on ne lui accorde pas d'importance. Aujourd'hui, le téléphone a créé plusieurs cadres, une pluralité de cadres, les uns aussi importants que les autres du point de vue professionnel, déjà, il y a des contrats qui se gèrent dans le téléphone. Donc, vous ne pouvez pas faire fi de toutes ces utilités du téléphone à un moment donné. Un simple exemple. Il y a des gens qui aiment. Mhm. Il y a des gens qui aiment les, les, moments de qualité. Donc quand tu es au resto avec ton gars ou bien avec ton mari, quand tu es une femme qui aime les moments de qualité, c'est normal que tu, tu dis à ta femme, de, à ton homme de ne pas toucher à son téléphone. Kawai, ah, mais attends, moi ce qui me choque dans tout ce que vous dites là. Il y a des personnes que leur langage d'amour, ce n'est pas les moments de qualité. Je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre monsieur. mais tout dépend de la personne. Quand moi, mon langage d'amour est J'aime les moments de qualité. Je ne veux pas que mon homme touche à, son téléphone quand on est. Mais quand finalement, on trouve un terrain d'entente sur la fada aujourd'hui. <laughs> <laughs> on a trouvé un terrain d'entente. On, se calme un peu. On va aller en musique. Ben, justement, le téléphone a tellement pris de la place que Soprano a chanté Mon Précieux. Quand j'ai vu le titre Mon Précieux, j'ai dit, ah, lui là. On va écouter mon précieux de soprano et on se reprend juste après, ami de la Fada. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens. Dans quelques feux, je crie au bout secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert, tu m'as invité mon de soprano soprano ya ma sulla shuwaka yace ita ce yake dauka tun da sahe kuma da daren ya kwanta kuma ya ma kowa ban kwana yace kowa a kwalla mu kwanta lahiya mu kwana lahiya sai gobe sai ya diba wannan sulla kenan ita ce yake dauka kuma ita ce yake ajewa kai ya rike idanuwan shi don shi yasa ya ma sulla shuwaka mun shirare shi mun shi yanzu mu dawo cikin fadan mu tambaya ta ta karshe Mais avant cela, je vais aller euh, avec quelques chiffres quand même. Un sondage réalisé par le groupe d'études de marché IPSO en janvier 2019 sur les jeunes couples, euh, l'amour et le téléphone portable en France. 61 salula 71% à vous regarder leur téléphone quand l'autre parle. 63% regardent souvent celui de leur conjoint. Pour vous dire à quel point le téléphone a pris de la place dans les couples, dans la vie de tous les jours. À quoi les couples doivent-ils faire gaffe Vu qu'on ne peut pas faire sans, comment faire au mieux avec Selon toi, Ramatou, comment les couples peuvent euh, utiliser au mieux et ne pas se retrouver dans des problèmes comme ça à cause du téléphone. Bon, les couples, surtout les hommes, quand tu veux pas rentrer en conflit avec ta femme, sincèrement, quand tu veux prendre une femme, viens, tu dis à ta femme, je vais prendre une, une, épouse. Donc voilà, ça, ça, va éviter les problèmes. Parce que quand elle va fouiller dans ton téléphone, je dis pas aux femmes d'aller fouiller dans les téléphones. Mais quand elle va fouiller, quand elle verra ça, c'est ça va créer un conflit dans ton foyer. sois clair dans la vie, sois vraiment clair. Le, les discussions, ça, résout tous les problèmes, je disais. La communication. On va revenir vers vous, Monsieur Moussa. Qu'est-ce que vous allez conseiller au couple moi, ce que je leur conseille, euh, c'est la confiance. Sui, suis voilà, de Juna. Suyada de Juna, un couple, c'est vraiment la confiance, le mot maître. S'il n'y a pas de confiance, il peut y avoir tout. Il peut y avoir tout. on ne décide pas, mademoiselle, tout d'un coup d'avoir une seconde femme ou une troisième femme. Ça, en fait. ça se construit. Et dans ce processus de construction, on ne peut pas affirmer qu'on va prendre une femme. Oui. Voilà. C'est ça, en fait. Non, il a raison. Ahmed. Moi, je vais juste prendre le cas de mon, couple. Uh-huh. Pour dire que effectivement le téléphone dans un premier temps et je crois que ça sur les 100% de couple. 99% <laughs> vont le dire. Dans un premier temps, effectivement, le, téléphone a fait son boulot a, mis le feu, comme on dit, et tout, et tout, et tout. On a construit la relation, on est venu. Vraiment, parce que c'est tout ça là. Et, ce qui est, c'est ce que mon frère Babs aussi a dit. Voilà, il y a, souvent de ces choses-là que la femme peut venir dans le téléphone et trouver quelque chose. Souvent, c'est même pas dans l'esprit d'infidélité. C'est juste que c'est des choses que tu euh, tu dois pas tomber sur ça. C'est tout. Donc, euh, elle en a vu des choses. Non, sincèrement, hein, je vous promets que des tensions, il y en a eu, mais tellement. Mais il ne faut pas juste se cacher derrière le téléphone, dire que parce que j'ai vu ça, donc le couple, ça s'arrête là. Non. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà du téléphone, sincèrement. Et on peut, en fait. Aller au-delà du téléphone, Babs, tu me prépares une jolie conclusion en ah, Hausa parce que tu vas me clore. Comme tu aimes clore les trucs sur Coco, tu vas me clore mon débat là aujourd'hui. Bon, ami de la Fada, kun jihira da muke nan gaitar da wa'annan matasan. Yanzu kan yi qui kwata-kwata da ba Olivier dama ma zone de chronique shi et on se reprend juste après. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Cette semaine a été mouvementée par le prix du pain qui a augmenté et a atteint la barre de 250 francs CFA. Ah bah oui, presque partout sur les réseaux sociaux, l'on parle du prix du pain qui a augmenté. Ah, le pain, cette denrée précieuse a fait son buzz cette semaine sur les réseaux sociaux. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas l'objet de notre chronique de ce soir. Chers amis auditeurs et auditrices, ce soir nous irons au Cameroun. Vous savez que depuis le début de la compétition de football Cannes 2021, le Cameroun ne manque pas de buzz, non Ah bah oui. Cette semaine, c'est au tour de l'arbitre Gianni Sikazwe de faire son second buzz. Oui, un second buzz car pour rappel, Gianni, c'est cet arbitre qui a interrompu prématurément le match Mali-Algérie qu'il officiait le 12 janvier 2022. L'arbitre a d'abord fait retentir le coup de sifflet final dès la 85e minute avant de faire machine arrière une fois informé de son erreur. Puis il a définitivement acté la fin de la partie après 89 minutes et 46 secondes alors qu'un long temps additionnel était prévisible vu le nombre de pauses dans ce match. En tout cas, ce mardi, le Zambien est revenu, cette fois-ci pas sur le terrain, plutôt dans une colonne de la presse française de foot appelée L'équipe. Il expliquait ceci. J'ai commencé à perdre mes repères. J'étais confus et je ne me rendais compte de rien. Je n'entendais plus mes assistants qui m'ont dit qu'il essayait de me joindre afin de m'aider car il voyait que quelque chose n'allait pas bien. Je n'ai même pas eu l'impression qu'il me parlait. Eh bien, à travers ces lignes, l'arbitre de 42 ans avait expliqué les raisons de son acte. Si pour beaucoup d'internautes, cet homme méritait une compassion, ils sont nombreux à fustiger sa décision. Maintenant, vous savez ce qui s'est réellement passé dans ce match Tunisie-Mali. Chers amis auditeurs et auditrices, on se dit à demain pour une nouvelle chronique. Et comme toujours, on se quitte en paix, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'amour sur vous. One love. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci bien Olivier, c'est la fin de tout ça, la Fada Français au sein Nous étions avec nos influenceurs, nous étions avec euh, nos étudiants en psychologie, le sociologue qui nous a fait honneur aujourd'hui sur la Fada. Babs Magaji, tu tiens un blog, un blog sur lequel quand monsieur voit des choses ou quand madame voit des choses, ils viennent te confier ça et on en débat, genre tout le monde donne son avis et anonyme, ouais, voilà, anonymement, mais tout le monde donne son avis et on essaie d'aider les couples comme ça. Babs, magana ka ta karshe fuska wannan shirin nake so in sani mutane su san da telefon c'est personnel Okay. Le chargeur même du téléphone doit être personnel. Il n'y a pas une question de on a deux <laughs> iPhones. Oh, oh, je vais utiliser ton chargeur. Ah, ah. Il faut aussi que mutane su gane da couple ba téléphone kadai ne. Kusa abubuwa cikin couple kinku. ku bar zama kuna wani soyayya a ta kare wani wane ne eh, wani hankuri ne hankurin ginawa wa ku peps cikin soyayya ku cikin arminku Et les jeunes doivent Tu t'es intéressé vraiment à la question. Babs, il parle de PEPS, il parle du côté personnel du téléphone, mais le téléphone qu'on peut l'utiliser autrement pour faire la paix, pas pour faire la guerre. Exactement.